ci moom Ousmane mu sell mi président suñ président Sonko Ousmane Sonko yaakaaru ndaw yi Ousmane Sonko yaakaaru Sénégal kon gaay Ousmane Sonko ya Afrika Ousmane Sonko ci kaw sa kanam ci lu ja def Ousmane Sonko président kon kay amadou bara senegal moy woné ciofelam ak andak jappalem muy président ousmane sonko kon kay bepp ndaw bu conscient bu xam li nga bëgg wala bu bëgg lu baax kon kay ousmane sonko ko ñu wara jappalé la mu jël rew mi afrique siki Ces leaders l'ont fait. Mais ils ont fait les sciences pour. Ces vieux leaders, Alpha Condé, 1970, il faisait partie de l'agression. Il, il a été condamné par ce pourri accoutumance. Feu Général Lansana Conté, il a, il, il a été condamné ici, devant nous. Et c'est le plus rusé. Pourquoi il est rusé et méchant laisser laissé les autres leaders ici. Il est parti aux États-Unis. Aux États-Unis. Et donc, Dalin est resté, Jean-Marie Doré est resté, Fall est resté, si j'ai bonne mémoire. Oui, il était là. Sidia est resté. Mokhtar, le jeune. Mokhtar, il est resté. Lui, il est parti. Pourquoi il a fait Il est très rusé. Il a fait pourquoi Parce que il sait que s'il y a la justice, de près ou de loin, si ces hommes-là ont tiré, ces hommes ont tiré. Mais la loi condamne que lorsque tu conduis un mouvement et que tu n'arrives pas à contrôler le mouvement et que tes partisans se saisissent des armes de guerre et que tes partisans portent préjudice aux usagers, brûlent les véhicules et qu'il y ait des morts, tu en es responsable. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur Français. Quel est votre nom Moussa Dadis Camara. Je peux ôter les pères de s'il vous plaît Vous pouvez les garder. Merci. Quand est-ce que vous êtes né Le 29 décembre 1964 à Zéro-Corée. Ah À Corée. Quel est le nom de votre père dit Koulé Camara. Est-ce qu'il vit Non. Quel est le nom de votre mère Ton Christine connaît. Est-ce qu'elle vit Non. Quelle est votre profession Militaire. Vous avez un numéro matricule 18 euh, Je peux reconnaître. Vous êtes domicilié 18014. 18014 ah C'est ça Oui vous êtes domicilié Je suis à Lambani. Quelle est votre situation matrimoniale Marié, père de cinq enfants. Est-ce que vous avez été jugé, condamné une fois Non, devant ce tribunal pour avoir au stade du 28 septembre environ courant année 2009, en tout cas depuis tant non couvert par la prescription, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'instructions, participer au meurtre et assassinat commis au stade du 28 septembre et aux alentours, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps participé en pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'instructions à la commission des enlèvements, tortures, et séquestration des manifestants, d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participé à la commission de coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre, et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation ou fourniture d'instructions, participé au pillage de marchandises, de biens mobiliers et à l'incendie de magasins conteneurs et leur contenu. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation et fourniture d'instructions, participé au vol à main armée ci-dessus, cité. D'avoir dans les mêmes circonstances de lieu de temps, volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. De vous être dans les mêmes circonstances de lieu de temps, volontairement abstenu d'empêcher par votre action immédiate, sans risque pour vous ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre environ. Volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Et d'avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps en pleine connaissance de cause procurer illégalement aux recrues de Kalea des armes, munitions, instruments et autres moyens ayant servi à la commission des crimes et délits au stade du 28 septembre, tout en sachant qu'ils devaient y servir. Ces faits sont prévus et punis par les dispositions des articles 19, 39, 206, 208, 239 et suivants, 268, 373, 381, 382, 303, 297, 298, 510 et 514 du Code pénal. Est-ce que vous avez un conseil Oui, bien sûr, j'ai le conseil. et... Ils sont présents, ils sont là. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Gakité, asseyez-vous. Monsieur Blaise Goumou, Vous voulez parler dans quelle langue En français. Quel est votre nom Je me nomme Blaise Avant qu'on aille au fond, je commence par euh, les victimes. Lundi. Voilà, accusé. Monsieur le Président, nous vous prions très respectueusement la remise de la cause à lundi, le 5. Est-ce qu'il y a des exceptions Bien sûr que oui, beaucoup d'ailleurs. Mais allez-y. Pourquoi vous voulez pas nous voudrions, nous voudrions très respectueusement. Et chaque fois, vous aimeriez dire euh, victime, victime. Nous voudrions que vous les appeliez partie civile. S'il vous plaît, La victime est différente de la partie civile. Dans cette on peut les appeler victimes. S'il vous plaît. Qu'on les appelle partie civile, votre honneur. S'il vous plaît, maître. Voilà. La civile, c'est seul le tribunal qui peut dire qui est partie civile, qui ne l'est pas. C'est le tribunal qui apprécie cette question. Voilà. En tout cas, la défense. Parce qu'on peut être victime sans être partie civile. Ah. C'est possible. Hein? Voilà. Donc, sur la question. La défense, par ma voix, sollicite très respectueusement le renvoi de la cause à lundi. La plupart même n'ont pas eu le fond du dossier le temps pour nous de venir exposer nos moyens de... Ça, c'est pour toute la défense. Hein. Lundi est férié. Hein? S'il vous plaît, ministère public, il y a une demande. Oui, mais c'est bon. merci Monsieur le Président. Euh, les avocats de la défense euh, viennent euh, de demander le renvoi pour lundi. Nous ne savons pas pour le moment quel est le motif de ce renvoi. Nous souhaiterons le savoir avant que nous puissions réagir. Je vous remercie. Le motif, s'il vous plaît. Un seul peut parler pour tout le monde. Hein. Monsieur le Président. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Euh, il se trouve que, à date, c'est euh, hier, que Monsieur le procureur de la République a mis le dossier à la disposition, l'a mis le dossier sur clé. C'est hier, à la veille de l'audience, que nous avons reçu une clé par conseil, non par accusé. Ça veut dire que nous n'avons même pas eu le temps de mutualiser cette clé-là pour tous les euh, conseils qui ont été régulièrement constitués. Donc, à ce stade de la procédure, nous ne disposons pas de dossier. Et les faits pour lesquels nos clients sont poursuivis sont des faits criminels graves. Il est normal que nous puissions avoir le temps nécessaire pour préparer la défense de nos clients. Le procureur le sait, plusieurs conseils constitués dans ce dossier euh, ont adressé des courriers à Monsieur le procureur de la République pour qu'il puisse nous communiquer avant l'audience. Il a toujours dit que les pièces vont être communiquées en temps opportun. Et c'est ce qui est que nous avons reçu des clés, donc une clé par accusé, alors que chaque accusé a plusieurs conseils. C'est pour ça, Monsieur le Président, pour nous permettre de mieux préparer la défense des intérêts de nos clients, nous vous sollicitons au nom du principe de l'équité qui doit caractériser le procès pénal de bien vouloir renvoyer cette affaire-là au mardi, puisque le lundi c'est férié. Monsieur le Président, je voudrais ajouter quelque chose avec votre permission. Monsieur le Président, honorable euh, assesseur, comme vous le savez, moi j'ai été constitué euh, tout récemment, donc je n'ai pas pris suffisamment connaissance du dossier. Il se trouve que vous nous avez remis, c'est vrai que la science a beaucoup évolué avec euh, la nouvelle technologie de l'information et de la communication, mais on n'a pas eu le temps en tout cas de pouvoir télécharger les documents qui se trouvent sur la clé il se trouve qu'il y a beaucoup de pièces à lire et un renvoi au lundi prochain, peut-être au mardi, s'il vous plaît, nous permettrait au moins de profiter de la fête de l'indépendance pour euh, passer la journée à lire qu'à fêter. C'est pourquoi nous sollicitons qu'il vous plaise euh, nous accorder ce renvoi pour nous permettre euh, d'examiner, d'étudier les pièces qui nous ont été électroniquement communiquées. Voilà les raisons pour lesquelles nous sollicitons la demande de renvoi. Merci, M. le Président, honorable euh, membre du tribunal. Ministère public. Oui, euh, Monsieur le Président. C'est autre chose encore. Ah, mais Ne vous énervez pas. Oui, S'il si, vous... Non, Monsieur le Président, il s'agit d'une défense. Voilà. Et, et il se trouve que... Oui, voilà, ce n'est pas une défense. Non, ce n'est pas pour dire la même chose, sur le Président. C'est pourquoi nous prenons la parole. Nous voulons soumettre et nous avons même pris des conclusions. Des conclusions relatives aux incidents contentieux, conformant aux dispositions des articles et 408 du Code de procédure pénale. Et pour commencer, eh bien, eh, au Non. Oh, il faut qu'on se comprenne. Hmm? Il faut qu'on se comprenne. C'est hmm? un renvoi, on demande ou bien, parce que je ne vous comprends pas, ou bien c'est les exceptions que vous voulez soulever. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, dans nos préoccupations, si vous ne vous écoutez pas, ah, mais je vous ai écouté, s'il vous plaît. Mais attendez, attendez. Il ne faut pas qu'on polémique inutilement. Vous avez, pris, vous avez pris la parole, je vous ai donné la parole. Hein? Vous avez parlé, merci, si je n'ai pas compris, je ne peux pas demander. monsieur le, monsieur le Président. Je veux savoir, tout simplement, c'est le renvoi aussi avec, comme les autres ou bien c'est une exception vous êtes en train de soulever Je n'ai pas compris. Il y a non seulement la demande des renvois, mais en plus il y a d'autres éléments. C'est ça simple, je voudrais qu'il C'est simple de le dire. Oui, mais je l'ai dit. Allez-y alors. Vous ne vous comprenez même pas. Monsieur le Président, comme vous avez le ministère public a demandé les motifs, nous vous prions de faire la lecture euh, de l'article 389 du Code des procédures pénales. L'accusé et la partie civile ou leur conseil peut vous prendre ou faire prendre copie à leurs frais de toutes de toute pièce de la procédure. Mais cependant, à l'année 2, il n'est délivré gratuitement à chacun des accusés qu'une copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et les rapports d'expertise. Je lance le défi au ministère public. Qu'est-ce que vous demandez, maître renvoyer pour nous permettre, si on a toléré la, communication électronique, pour, nous permettre, de tirer nos preuves là, préparer nos moyens de défense. Parce qu'on ne nous a jamais communiqué. Ils ont violé la loi, ils s'opposent au renvoi. Monsieur le Président, merci de nous avoir donné la parole. Eh, nous allons mettre la défense à l'aise, d'autant plus que le ministère public ne s'oppose nullement à ce renvoi. Dans le souci d'une question d'équité, de contradictoire. Monsieur le Président, le ministère public ne s'oppose pas à ce renvoi. Je vous remercie. Les victimes, s'il vous plaît. Monsieur le Président, à la suite du ministère public, nous également, on a besoin de ce renvoi parce que, à date, nous n'avons pas reçu copie du dossier. Donc, euh, je pense que contradictoirement, ce renvoi est nécessaire. Je vous remercie. Et la défense a reçu ah, pour le moment, il n'y a rien. Hein. Vous avez reçu, hein? Les victimes n'ont même pas reçu encore. Et vous, vous avez Monsieur reçu, le Président les clés. Monsieur le Président ah, si la n'a pas reçu. Monsieur le Président, j'interviens. Oui, allez-y. j'interviens pour des parties civiles, Monsieur le Président. La défense des parties civiles ne veut pas d'un procès expéditif dans lequel les droits de la défense ne seraient pas respectés. Nous comprenons la demande de nos confrères de la défense et nous saluons la position du ministère public sur cette demande. Il vient de vous être exprimé que nous-mêmes, Parti civil, nous n'avons pas eu la copie de cette procédure. Nous en avons besoin, Monsieur le Président, également, et c'est la raison pour laquelle nous avons également besoin de ce renvoi. J'entends que par ailleurs, des conclusions ont été préparées par nos confrères de la Défense. Et bien entendu, il sera donné par la Cour, par le tribunal, tout le temps nécessaire au développement de ces moyens qui sont développés in litis. Mais nous avons besoin que nous soient également communiqués les moyens de la défense sur ces, éléments de procédure. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons à ce que ces conclusions nous soient communiquées. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais quand même attirer votre attention sur un point. Ce procès est un procès. Et besoin de rappeler ici, le partie a un rôle à jouer. La partie civile, le ministère public et la défense. Nous sommes tous demandeurs dans cette procédure. Mais nous déplorons le comportement du ministère public qui, dans cette salle, ne perd que des cas concernent leurs clients avant de comparaître ici à la barre de votre tribunal. Nous aurions souhaité que prochainement, une fois que nos clients sont admis dans la salle, on ne fasse pas comme si euh, nous étions des intrus dans cette procédure et qu'on veuille bien nous barrer le box des accusés de sorte à nous empêcher de nous concerter, il ne serait-ce que pour quelques secondes avec nos clients. À l'entente de cette procédure, nous avions posé un problème répondu par le tribunal. Une question a été posée. C'est vrai, nous savions que la réponse était déjà donnée avant que cette question soit sujette à débat. Mais la transparence, l'équité, l'impartialité voudraient qu'on écoute au moins toutes les parties. Nous sommes avocats ici, dans cette procédure, nous assistons, nous nous représentons concerne les droits de nos clients, il est tout à fait professionnel pour vous de consulter nos clients. Très malheureusement, vous n'avez pas répondu à cette question, vous n'avez pas donné la, la avec nos clients, la question a été répondue. N'empêche, c'est passé, on ne revient plus sur ça. Mais nous voudrions que vous rappeliez à l'ordre du ministère public de ne pas se comporter comme si c'est lui qui décide dans cette question. Je vous remercie. Monsieur le Président. Monsieur le Président. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, hein. vous avez des difficultés parce que vous ne vous adressez pas à la bonne personne. Mais bien sûr, la salle d'audience, une fois que les gens sont dans la salle d'audience, c'est au président de vous autoriser à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas au ministère public. Donc, donc, s'il vous plaît, trêve de discussion pour ça. Vous vous êtes adressé, est-ce que vous vous êtes adressé au tribunal Vous voulez faire ça, ça, ça, ça, et qu'on vous refuse. Voilà. Donc, une fois dans la salle d'audience, ce n'est pas au ministère public de vous, de permettre de vous, de vous entretenir avec vos clients ou bien de faire quoi que ce soit. Ça, on le sait. Vous le savez mieux que moi. Que ce n'est pas au ministère public, une fois dans la salle d'audience, hein, de vous permettre quoi que ce soit. Ça, on le sait. Tout le monde le sait. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on ne va pas revenir sur tout ça. S'il vous plaît, c'est dans la salle d'audience, le tribunal est là. Si le ministère public vous a empêché de faire quoi que ce soit, vous pouvez dire au tribunal, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Mais ça, ça n'a pas été fait. De toute façon, c'est passé. Prochainement, si vous avez besoin d'obtenir quelque chose, adressez-vous au tribunal. Laissez, laissez, laissez le ministère public tranquille dans la salle d'audience. Décidez maintenant. Décidez voilà, parce que vous l'avez rappelé. Celui qui vient de parler l'a rappelé. Vous êtes tous des partis même si le ministère public est la partie principale, parce que c'est lui qui organise le procès. Mais vous êtes de toute façon des partis et c'est au président d'ordonner quoi que ce soit dans la salle de presse. Voilà. Donc, il y a une exception à ça. Le tribunal renvoie cette affaire au 4 septembre 2022 pour la suite des Octobre, monsieur. Et donc, ça veut dire que si demain, la loi, la justice, de près ou de loin, doit condamner, d'une part, ceux-là comme euh, militaires, c'est que ceux-là, les leaders qui sont là, ils vont être certainement condamnés. Je ne dis pas condamnés parce que je dis certainement. Et donc, s'ils sont condamnés, ça veut dire qu'ils sont disqualifiés des élections. Seul Alpha Condé, qui est rusé, il n'est pas disqualifié. Voilà, il a piégé les autres. Il a piégé les autres. Il est rusé, il est méchant. Il veut, il m'a dit dans mon bureau que président, tant que tu es avec celui d'Alain, il est même qualifié de voleur de ceci, de cela. Il dit, tant que tu es avec lui, je ne viendrai plus dans ton bureau. Fall me l'a dit, sur l'honneur, dans le bureau du ministre de la Défense ton bonhomme, ton voleur est venu tomber dans ton, filet. Ils m'ont fait la guerre à cause de ces d'Alain ici. Eux tous disaient de procéder à l'audit pour éliminer ces d'Alain J'ai refusé parce que je suis très réfléchi. Je me suis dit que le système de Machiavel, en ce moment, comme maintenant on parle, on aurait dit que le capitaine Dadis a créé l'audit pour éliminer ces d'Alain En ce moment, eux, ils font face à moi. Donc je me suis refusé, ici la presse en a parlé, le programme d'audit est en cours, voilà, un autre événement vient tomber, il laisse ses collègues, pourquoi ne pas rester il, reste aux États-Unis, aux Nations Unies, il est au Quai d'Orsay, il est à Bruxelles, il laisse ses collègues ici. Tout ça pourquoi Parce que, et c'est pourquoi il est acharné, il parle de, de justice et il sait que s'il y a ça, si les militaires ont un côté, les autres leaders ont un côté, c'est-à-dire les leaders politiques, parce qu'il y a le code de conduite. Lorsqu'on organise une marche, si la marche est pacifique, et si la marche était pacifique, sans porter préjudice aux édifices, sans se saisir des guerres, sans brûlure, que ces hommes partent, même si ils avaient, même s'ils avaient défoncé le stade, marcher dans la, dans la passivité, je crois que là aussi, c'était pardonnable. Mais du moment que les commissariats de police ont été saccagés, les armes de guerre ont été prises, tous les documents de l'État ont été jetés par-ci par-là. Donc les leaders, d'une part, ont été à la base parce que simplement, ils n'ont pas su cadrer leurs hommes. Et si la loi peut pencher à ce côté, Alpha Kone, il se dit aujourd'hui, il est heureux. C'est pourquoi il est en train d'errer dans la nature vers les États-Unis un peu partout pour parler de fortes d'interposition, et pour parler de ceci, de cela. Parce que, et vous allez, il est très méchant. Parce que c'était une forme d'éliminer de, les autres. Les autres actuellement, ils sont blessés. Et lui, est-ce qu'il est blessé Alors c'est comme ça, il a joué l'agression de 1970, la rébellion, euh, le mouvement... 1970, l'agression portugaise contre la Guinée, était au large. Et le mouvement, mouvement 2002, 2000, la rentrée des rebelles tout au long de la frontière, il a été arrêté, il a été jugé par, par le tribunal d'ici. Il a été condamné. Et donc, il est habitué. Voilà que ce troisième événement, il s'est échappé parce qu'il en a de l'expérience, mais une expérience méchante, dangereuse contre sa nation. Un homme qui a un casier judiciaire aussi important. Il a, il a un casier judiciaire. Il n'a pas eu l'amnestie. La, mais il a été gracié. Nous sommes dans un régime d'exception. Nous sommes dans un régime d'exception parce que c'est un habitué de fait. Et ce qui vient de se produire, la loi peut le condamner, alors, mais cet homme qui est assis, il faut que vous cherchiez, il faut que le peuple cherche. Il est en train de raconter des bobards. Il parle tantôt de forestiers. Je suis forestier. C'est grâce aux forestiers que, que le mouvement rebelle a été combattu. Il y a ces valeurs. Ces valeurs, je les possède. Et tous les militaires en ont. Que tu sois maintenant, ce n'est pas seulement les forestiers qui ont combattu tout au long des frontières, les peuples ont combattu, les Malinqués ont combattu, les sous-sous ont combattu. Et donc, l'Afrique a ses valeurs. Alors quand il a fait allusion à tous ces facteurs, mais est-ce que les éléments qu'il est en train de parler, tout ça, c'est moi qui les ai incorporés dans l'armée Donc c'est un homme qui a des faits habitués, c'est un habitué de fait, c'est un homme dangereux. Et voilà, aujourd'hui, ils sont dépistés. Il faut donc aller à l'extérieur, à l'Hexagone, aux États-Unis, Fistiger l'image du CNDD. Et ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait C'était le, système de, Madagascar. C'est-à-dire au moment où ils ont saccagé, les partisans ont saccagé euh, les, les édifices, se saisir des armes de guerre. Pour eux, toute la population allait se soulever. Allait suivre. Allait suivre le mouvement. Il fallait quoi Créer une insurrection Une insurrection, la population s'élève et puis éventuellement peut-être aussi euh, l'armée, et donc le départ du président, comme ils ont fait à Madagascar. Mais ils se sont levés, une bonne partie de la capitale, si ce n'est pas cette bretelle qui est restée, donc ils ont échoué complètement. Voilà le système machiavélique que ces leaders qui ont été piégés par leur patron Alpha Condé, lorsqu'il a parlé, je ne l'ai jamais répondu. Un jour, il est même passé aux antennes, et dit le président Dadis, il est malade. Il m'a qualifié, il dit que je suis malade. Les gens m'ont demandé, j'ai dit non, laissez-le. Son âge, il est perturbé. Alors, c'est son fils qui est là. C'est nous qui avons véhiculé leur message à l'université. Alors donc, l'âge, j'ai dit laissez-le. Il a raison. Donc, il veut passer par tous les moyens, coûte que coûte, goutte que goutte. Si ce n'est pas le pouvoir, Alpha Condé ne sera jamais rassasié. Même si on, fait une concession, vous dites à Alpha Condé d'être Premier ministre, il ne fera pas. Il ne le fera pas. 50 ans, il lutte à avoir le pouvoir. Donc il se dit que c'est sa dernière chance. 72 ans par rapport à cette génération. Alors, donc c'est pourquoi je ne l'écoute pas. Je ne l'écoute pas. Monsieur le Président, on a beaucoup parlé de politique, parlons un petit peu de vous. On vous connaît mal, hein. on, vous connaît par les images qui nous arrivent de Guinée, mais vous, d'où vient cette... Est-ce que vous avez imaginé un jour dans votre parcours être à la place que vous êtes eh, C'est pour vous dire que quand je parle du destin, pourquoi j'ai fait, j'ai appelé euh, un de mes instructeurs et pourquoi j'ai parlé du ministre de la Défense C'est eux qui nous ont donné les cours euh, de commune de base, demi-tour droite. Je n'ai jamais pensé en commune de base. Non